les, les, les, populations se retrouvent dans des zones agroécologiques qui ne sont pas toujours très très favorables. D'abord, elles sont affectées par le changement climatique. Nous parlons d'un pays qui connaît des sécheresses récurrentes euh, ou bien des inondations, autant euh, de crises qui affectent la production et la productivité euh, agricole. Et ce que nous faisons, c'est essayer d'aider ces populations-là à devenir le moins vulnérable à ces chocs-là. Et c'est pour ça qu'on travaille sur les questions de résilience des populations face aux chocs. Maintenant, pour ce qui concerne les paysans, les paysans travaillent dans des conditions difficiles. Et ce qui euh, les affecte le plus souvent, ça, c'est les terres agricoles qui sont dégradées. Donc le PAM a beaucoup investi dans la récupération des terres agricoles comme moyen d'accompagnement des paysans. Et comme je l'ai dit aussi dans mon mot introductif, euh, depuis 2018, nous avons contribué à récupérer 55 000 hectares de terres dégradées. On récupère les terres dégradées et on les accompagne avec euh, d'autres acteurs pour relancer la production agricole. Et une fois que la production agricole est lancée, on leur offre un marché de qualité. C'est-à-dire, au lieu de trouver des marchés pour vendre leurs produits, on achète directement à des prix qui sont très très intéressants et qui les motivent. Parce que le PAM, au lieu d'importer les vivres, les achète localement, on injecte de l'argent dans l'économie nationale et on donne un marché euh, qui garantit des revenus euh, assez important à ces, à ces, paysans. Donc voilà un peu euh, décrit comment on accompagne le monde paysan. Il y a beaucoup d'autres aspects à côté comme des, la formation, euh, la fourniture de certains équipements et même hein, pendant que eux ils travaillent, on offre les cantines scolaires à leurs enfants, ils envoient les enfants à l'école qui vont euh, étudier et prendre des repas là-bas. Et pendant qu'ils travaillent aussi, les questions nutritionnelles sont prises en compte. Quand il y a des enfants malnutris, on les, on les prend en charge dans des centres euh, de réhabilitation nutritionnelle. Donc autant d'éléments qui font que leur accompagnement est garanti et c'est très très apprécié. Vous savez, euh, quand on fait cela, on a assisté à une réduction de la migration de détresse de 60% dans les zones où nous intervenons. Parce que les paysans, dans le désespoir, migraient vers les centres urbains ou bien à l'étranger. Mais maintenant qu'on les accompagne, on leur garantit des revenus intéressants, ils restent sur place, ils travaillent et ils essayent euh, d'améliorer leurs conditions d'existence. L'insécurité et le changement climatique, je pense que euh, c'est des euh, facteurs qui favorisent la faim dans les zones. Le changement climatique, on en a parlé, les sécheresses récurrentes, les inondations, mais pour ce qui concerne l'insécurité, euh, ça mérite que l'on élabore un peu plus là-dessus. Parce que quand il y a une insécurité dans les zones, qu'est-ce que ça fait Ça entraîne des déplacements massifs de population. OK euh, il y a beaucoup de déplacés internes, des personnes qui sont dans leur terroir et qui sont obligées de se déplacer dans d'autres zones à cause de l'insécurité. Et ces personnes se déplacent en laissant derrière elle les terres agricoles et leurs activités génératrices de revenus. Et ces personnes viennent dans un état de dénuement total et dans un état de précarité et de vulnérabilité. Donc, euh, euh, euh, je peux dire que l'insécurité est un facteur qui vient aggraver les conséquences du changement climatique et exacerber la vulnérabilité des populations dans le pays. C'est ça qui fait que malgré toutes les interventions, on a assisté à une augmentation de la faim, parce qu'on fait une corrélation directe entre les conflits et puis la faim.